Et bienvenue dans votre émission des jeunes de fatan Lahia lahiya duka inda shirin zai mais magana je vous invite à faire des recherches sur les festivals et spectacles musicaux au Niger Besaka internet en dehors du wada be hotungo de la cure salée de dabobi ni des komi de ban samu ba c'est fou mais comme la culture nigérienne est riche en musique, en danse moderne et même traditionnelle, Galgagia Mais bon, pour tout ce qui est de la mode, le FIMA, Festival international de la mode africaine, continue de faire son bout de chemin. Niamey Fashion Week s'installe, le gala Hadiline. Amma musique, non, il a été à C'est là que c'est presque le désert, ça a Europe, on est Niger Connexion, on n'en parle même plus. Soumouri est Niger. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce flop quand il s'agit de concerts ou de festivals de musique Bref, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans l'événementiel ici au Niger a huce nan ma da su komedi duka yau su muka gayyata a wannan fada ko in ce ita mai fonigril ta gayyace mu yau mu zo mu yi wannan hira mahmud idrisa furera vous allez bien ça va. Merci euh, pour l'invitation. Nous sommes avec Omar Salifou. Il est promoteur et organisateur d'événements. Omar, ça va, ya ya Ayuka, ya Nous sommes également à cette fada avec Ahmed Ousmane de Haraka Comedy Club. Ahmed, ça va? Ça va, ça va. Ya kake? To da dama. Ya Haraka Comedy Club. Ana ah, shirye chérie. Ana Anna, Anna, chérie. Et shine da? samedi. Samedi eh, samedi. Samedi 31 octobre. il faut que tout le monde soit prêt alors. <laughs> Soyez les bienvenus sur tout ça à la Fada. Et comme vous le savez, il n'y a pas de Fada sans musique. La rubrique et la chronique de Mr. Oli. Ça va, Oli Oui, ravi, je vais très bien et toi C'est comment Aujourd'hui, on a quoi au menu Eh bien, écoute. Ravi, l'information de ce soir, c'est euh, celle-ci. Non, pas de brochette, pas de poisson grillé. On va parler quand même de l'argent. de l'argent Ouais. Oh, ça, c'est bien ça. Ah ouais, l'information de ce soir, c'est celle-ci. L'Afrique pourrait gagner 89 milliards de dollars par an en freinant les flux financiers illicites. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. À ah tout de suite alors. Bonne émission à toi. Merci. on se demande où sont passés les mélomanes nigériens. de quand manya concert qui a yanzu babu. Ko un ma Même si à côté nous avons euh, quelques événements qui marchent plus ou moins bien, ou on est en plein jeune talent, la killer, encore Haraka Comedy Club de Hamed. Hamed, ça va Ça va, ça va, ah, ça fait son petit bout de chemin. Ah, petit à petit. Ben voilà, nous avons également là, on peut ajouter à cette liste Phony Grill, quand même, qui tu vois, non, j'étais là samedi. Euh, aujourd'hui, c'est encore top, quoi, tu vois, non ah Il y a plein de monde et c'est bien. Quoi, à Fonaf, accueilli semaine passée à Tawa. En tout cas, il y a pas mal d'événements, de nouveaux, de d'anciens qui marchent encore un peu. Mais maintenant, voilà, mais maintenant, à côté, il y a aussi ceux qui ne marchent pas. Avant de parler de la musique, Madame Foureira, là, c'est votre première édition. Vous pouvez nous dire euh, comment ça s'est passé L'organisation <laughs> C'était plutôt facile ou <laughs> C'était plutôt facile Vous avez été accompagné, appuyé Comment ça s'est hmm. passé Racontez-nous. Merci. Mhm. C'est que euh, organiser, vous savez, organiser un événement au Niger, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Et vraiment, euh, je ne veux pas vous mentir, l'organisation, ça a été vraiment très dur, très très dur. Là, il peut en témoigner. Mais Dieu merci, c'était bien qu'il finit bien. Donc là, là ça va. C'était compliqué. À quel, à quel niveau Sponsor Communication C'était oui, vous savez, quand c'est la première édition, les sponsors sont un peu timides parce qu'ils ne peuvent pas investir dans quelque chose qui ne savent pas quel sera le, euh, retour. Donc, beaucoup étaient timides, mais maintenant, je pense que la deuxième édition, ils vont m'accompagner. Avant de parler de musique, on va d'abord parler de l'élection Miss Niger qui a littéralement cassé Internet de l'organisation jusqu'à la beauté des Miss. Baba bah, ah, bah, bah. abin ba. organiser communication de

kamar yanzu wannan miss niger da aka yi kasan miss niger premier critter kin bote ne cawo ban abin nan shine critter na hari in an wuce wannan apre ana zo bisa eh, kamar maganan da ta iya hmm. apre akwai wasu akwai critter da yawa organization king eh, kun san in mutum ya iya aikin shi parce que miss niger king ou, euh, comment ça fait partie de la mode. Kuma mode, c'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. Kuma luxe king, bakowa ne consommé C'est destiné comment à une catégorie, euh, une frange de, d'individus de, la société. De la société. To, yanzu da internet da aka yi on vulgarise les produits da aka samu. To dole ne mutane su ko wanda bai sani abin nan ba king sai ya so ya ce a wannan babu babu cawa wannan bai yi ba wannan bai yi ba su ba su san kiritar da aka yi definir tun na hari ba mm. kun gane ko bisa facebook yau kowa expert ne <laughs> wanda ya sani da wanda bai sani ba Quand il y a autant de contraintes quand il y a genre ça c'est compliqué, ça c'est compliqué. Dans l'événementiel, tu forces quand même ou en euh, on fait comment Ah oui, en tant que promoteur euh, événementiel, mhm. tu as le devoir au fait de trouver la solution à chaque problème. Ok. Avant de te lancer. tu peux pas, oui, si tu ne peux pas, tu laisses. Ça, tu, mm. peux, tu ne peux pas. Et les problèmes, euh, ça va forcément arriver. Et de tous les bords, comme il l'a dit aujourd'hui, tout le monde est expert sur les réseaux sociaux, mhm, d'accord mhm. C'est facile de critiquer, facile. Mais ces gens-là, faut aller demander c'est quel genre de personnes. C'est des gens qui ne peuvent pas, eux, euh, organiser. Maintenant, ceux qui organisent, plutôt que de les encourager, de les euh, ceci, cela, mhm. non, on préfère critiquer. c'est bien beau de critiquer. La critique, quand elle est objective, c'est très bien. Mais souvent, quand on critique, on ne tient pas compte de certaines de certains critères, de certaines raisons. pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça On euh, attendait Djobala, on a le représentant de Djobala, M. Ibrahim Cheibou, je crois qu'il était membre euh, du jury également. Ça va Vous allez bien, monsieur Ibrahim Oui, ça va bien. Merci. Justement, Hirokuchi Miss Niger, euh, <laughs> les critiques. J'ai bien pris les choses en compte. Voilà. C'est déjà bien. Yanzu, il s'agit de, voir pourquoi, pourquoi autant de critiques là, quand tu lis euh, les posts sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on dit ça a été mal organisé, il n'y a pas eu de communication, les mises ne sont pas assez belles, elles sont ci, elles sont ça. Euh, c'est plutôt un problème avec l'environnement ou un problème avec l'organisation parce que c'est pas la première fois quand même qu'on critique euh, les événements organisés ici au Niger qu'on a été à Daoussa parce que l'émission est à 70% à Daoussa. Merci, merci de m'avoir donné l'occasion euh, de parler de, cet événement-là en tout cas qui, fait le tour, qui fait le buzz ah d'ailleurs hein. sur, Facebook, euh, sur Internet. je suis ravi d'entendre même un intervenant, tout de suite, mm-hmm. celui qui m'a précédé pour moi, pour le comité d'organisation, il euh, n'y a aucun problème, jusqu'à preuve de contraire. Nous, nous n'avons rencontré aucun problème organisationnel. Nous avons lancé un concours destiné à toutes les candidates nigériennes, hein? toutes les filles du Niger. Elles étaient toutes au courant. Hein? C'est ouvert. Ça il y avait une qui disait qu'elle n'était pas au courant. Assez ah, joli, hein, Dagadez qui disait qu'elle n'était pas au courant. Ça fait trois mois que ça roule. De toutes les façons, eh, moi, personnellement, j'ai donné le programme sur une chaîne euh, nationale. J'ai donné le programme euh, du comité d'organisation qui passerait dans toutes les régions, avec les dates à l'appui. Trois mois à l'avance. Il a fallu Agadez pour que les gens commencent à critiquer, commencent à parler de la Miss Agadez. tout simplement, tout simplement parce qu'on s'attendait à avoir autre chose. On s'attendait à avoir euh, <laughs> une targuille avec des cheveux jusqu'au dos, toute belle, toute claire. Euh, avant de poursuivre euh, cette discussion avec euh, nos chers invités de l'événementiel, on va aller du côté de Dondi. je suis comme un rubrique artiste Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. On ne le présente plus, ladies and gentlemen, artiste, chanteur, officiant dans le domaine du rap, promoteur, entrepreneur culturel, beatmaker. Bref, notre invité du jour sait tout faire dans l'univers musical. Parmi les leaders incontestés de la scène urbaine, et c'est depuis plus de 20 ans, l'artiste évolue au sein du mythique groupe de rap Made in Niger, Kaiden Gaskia, du taximan rappeur en passant par le businessman rappeur aujourd'hui, notre invité est un véritable self-made man de la Musique, vous l'avez sûrement deviné. Eh bien, ladies and gentlemen, j'ai l'honneur d'être aux côtés de Phoenix. A.K.A. Fonzon, A.K.A. Fenobi. Son parcours, son combat musical, ses expériences, ses projections pour le futur, tout sur Phoenix Pheno, c'est dans un instant sur la rubrique L'artiste s'exprime. Fonzon, comment vous allez Je vous souhaite la bienvenue. Euh, bonjour, je vais bien et toi et merci euh, pour me donner l'opportunité de m'exprimer euh, à vos Tout simplement. Tout le Niger est connecté à tous qui sont donc à l'écoute de nos radios partenaires à travers le Niger. Allo Fenobi et désormais Phoenix Feno. qu'est-ce ah. qu'il faut comprendre derrière cette légère modification Ce qu'il faut comprendre n'est pas quelque chose euh, d'aussi euh, euh, magnifique, si tu veux, ou génial. Ok. sauf que, bon, Phéno, c'est un artiste qui a, évolué dans, un groupe avec plusieurs formes. Mhm. Et toutes ces formes-là ont vécu des difficultés. donc, ça veut dire que l'homme a traversé des difficultés et tout ce qui va avec. Ah ah. Et maintenant, hmm, pour aller dans le sens pour aller dans le sens le bon que mhm. l'artiste s'était donné dès au départ. Donc euh, après les difficultés de ses groupes, de, son groupe, et maintenant il revient en solo. Euh, donc euh, c'est un peu ça. Et avant aussi de renaître en solo, mhm. et après aussi les tumulte mhm. que le groupe a vécu. Il y a eu euh, un silence et maintenant, pour euh, faire dormir ce silence, mhm. il revient en tant que Phoenix Feno. Phoenix Feno, a.k.a. Fonzon. Vous avez connu aussi, euh, dès les premières heures du rap du Niger, tout d'abord en, solo, il faut le dire, puis, n'est-ce pas, la formation KG1, ensuite la formation Kaidan Gaskia 2. donc, quand je dis KG1, KG2, ça te dit certainement beaucoup de choses et à nouveau, aujourd'hui en solo. quelle expérience tu vous de tout ce changement au fil du temps Cage 1, Cage 2, phénixienne Bon, l'expérience, si tu veux, l'expérience, il est beaucoup plus euh, spirituel peut-être que matériel. Maintenant, c'est avec le temps, si je dois matérialiser cette expérience, par rapport aux entreprises à, l'avenir, mhm. peut-être à soutenir les autres, mhm. peut-être renforcer la capacité des autres, peut-être aussi exposer l'histoire de notre musique, de notre hip-hop et de ma personne. Donc l'expérience, je dirais qu'elle est, elle est dense. Elle est dense, mais ça dépend de sous quel angle. L'homme qui veut savoir ce qui s'est passé, ça dépend de comment tu poses ta question, ça dépend de sous quel angle aussi tu peux m'aborder. Aujourd'hui, vous avez plus de 20 ans de carrière musicale. Yes. Qu'est-ce qui vous motive à continuer toujours dans la chanson Puisque je me rappelle, il y a cela pratiquement 20 ans, l'artiste Fenobi, avec sa formation, avait interpellé les autorités pour dire, ah, ah, leur dire, leur dire, leur dire de prendre en compte. De, reprendre, de prendre en compte les aspirations de, la jeunesse. de prendre en compte les jeunes qui euh, diplômés qui, étaient sans, travail, sans, occupation. Et aujourd'hui, l'histoire vous donne euh, raison. Quand j'écoute Maïdoukoussi, aujourd'hui, ça me fait, ça me donne la chair de poule. C'est un truc comme ça. Ouais. Voilà. Alors, dites-moi, Fénovi, Féno, euh, Fonzon, dites-moi, qu'est-ce qui aujourd'hui motive l'artiste à continuer toujours dans la chanson? Parce ah, qu'on sait que c'est pas chose facile. Ma motivation, ma motivation euh, la chance, c'est que la motivation, uh-huh. euh, c'est la même depuis le début. Depuis le début. sauf que cette motivation m'a mis sur un seuil où je ne me rendais pas compte à un moment. Mhm. Et après aussi, comme j'ai eu à le dire tantôt là, mhm. euh, après la vie euh, du groupe Kaidan Gaskia, donc la motivation, elle est encore la même. Et encore, l'homme a encore des idées, l'homme a encore euh, des projets artistiques. Et non, si on les exploite, ça peut point, en ce qui concerne le premier angle. L'émission Franco Aoussa. On se prendra plaisir demain dimanche à partir, bien évidemment, de 17h45 sur nos radios partenaires hein, pour la jeunesse qui kiffe cette émission à travers le Niger et aussi sur le site à partir de 18h15 Alors, le deuxième angle, rendez-vous le dimanche, tout sur la mesdames et messieurs. Et pour euh, rappel, hein, il est le président il est élu récemment. On va parler, bien évidemment, donc de l'Anassim avec l'artiste dans un deuxième angle. Sur ce, la machine était avec vous. muna anan center teknikin finifut hira wasanni ko in ce shirye-shiryen da ake na kaɗe-kaɗe da raye-raye kai da wani abin da ya shahi wani wasannin bandariya da wani wasannin nye sarauniya kyau aujourd'hui à la fada il est question de l'événementiel au Niger peut-on réussir dans ce métier qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas vraiment à la fada on en parle avec euh, euh, monsieur Ibrahim Chebou il représente euh, le comité d'organisation de l'élection Miss Niger 2020. Nous sommes également avec euh, Hamed Ousmane de Haraka Comedy Club. Nous sommes avec Omar Salifou, promoteur et organisateur d'événements. Ouais, c'est vrai. Bon, <clears throat> Miss Niger, c'était carrément euh, Kachin da aka samu na tamna ku a fuskan internet kwanakin garka me maintenant inda ma ke da kai matsalar bangaren kada kada da raye-raye nan ne muke ganin matsala tunda wasu wasannin da in ana yin su kawai ga jama'a nan kowa na son tahiya amma yanzu sai ka tahi ka gani ma kawai shiru ne ko mutanen 'yan kalilan ne in dai an ce kuma eh, mm. eh, na Nijar ne. Matsalan nan menene? Artistikinmu na Nijar sun iya sun yi kokaransu. Me ba su innover. Okay. Kun gane ko babu creativité au niveau de nos artistes. Okay. Parce que Mouton, si je prends, il y a des artistes aujourd'hui, ils font la même chose.

sai sun shiga ciki yau in ya kabi da nana ayubanya mhm. ko yan arek abin nan in sun yi wasa sai sai oje simil plus yana cika tap yana cika tap saboda ne da na hari na ce mutane su yi definir concept kinsu menene suna so su yi voilà kamar yanzu mutum in ya ce a ah, ya san wannan artist a da haka nan ne yana yi kuma bai ga abin da ya yi na sabo ba mutum bai ta iya parce yana ce ya dafa gani dama ya san abin da yake yi ba voila mm. to shine mu yanzu da muka yi wannan association kin na anasim mhm, mhm. za parce que abin nan karhin mu kama objective kin mu kama mission kin mu formation da promotion na artiste mm. Oui, mais Fourera Fonigri, je reviens encore vers vous plein de fois, quand on organise des choses ici, vous voyez des gens sur Internet ou euh, même euh, dans les fada qui critiquent l'organisation, qui disent que euh, c'était mal organisé, on n'a pas confiance en eux. On peut dire que les, le public perd confiance à l'organisation quand il s'agit de 100% mais du Niger. Où se situe le problème Bon, ça dépend de comment, comment on organise un événement et qui organise aussi. Quand on a des experts comme Monsieur Omar Salifou. on ne peut que chose impossible. <laughs> Ouais, ouais. Parce que lui, dans le domaine, ça fait, euh, ça fait combien d'années le domaine Donc, si les gens apprennent que c'est lui qui est devant l'événement, donc il y a vraiment des références, quoi. Il y a des références. Je peux toujours dire au Niger, les gens, on ne consomme pas local et ce n'est pas normal parce qu'on n'est pas en train d'aider les actrices. Donc la musique marche, mais pas, on veut pas, on consomme pas la musique d'ici quoi. On consomme pas local. D'ailleurs, c'est fun quoi. Mais imaginez si on envoie maintenant un artiste par le pas au Niger. Vous allez voir, même si vous avez 50 000 le ticket, les gens vont payer. Mais quand, par exemple, on dit Tal ou bien Mali, 50 000 vont, c'est trop. Mais pourquoi si on ne commence pas à aimer ce qu'on a sur place, comment on peut faire la promotion il y a quand même, euh, à côté de tout ça, il y a des événements plus ou moins grands, mais qui marchent d'enfer. Mohamed, genre, il y a un type d'événement qui marche mieux que, que l'autre Ou qu'est-ce qui se passe C'est quoi le secret de, de ces événements qui, qui, marchent, qui durent Bon, déjà, euh, le secret premier, au fait, c'est la communication. Mais maintenant, souvent, on confond, on, on ne maîtrise pas assez ce mot-là, la communication. La communication, en réalité, ce n'est pas communiquer sur le jour J seulement. Non, ce n'est pas communiquer sur l'événement en tant que tel. Non, il faut déjà euh, comprendre le public là que tu cibles. C'est de ça que Origigi parle. Le public là qui est ton public, qu'est-ce qu'ils aiment Moi, je vous prends l'exemple. Je suis allé une fois au stade. C'était euh, Whisky, bon, voilà, mm, un mm, artiste mm, nigérien qui est venu ici. Mais j'ai vu des mamans prendre leurs enfants dans leur véhicule, les déposer pour afin qu'ils puissent rentrer, regarder. Elle est repartie après revenir les chercher. Tu vois, ça, c'est pas, je sais pas, mais c'est pas pour un artiste nigérien, une maman fera ça. Mais la maman a fait ça pourquoi Parce que les, les, enfants le voulaient. Ouais, ouais. Nos parents, ils vont, ils vont faire ce qu'on leur demande. Voyez un peu. Mais maintenant, comment est-ce que Wizkid a conquis le cœur de ces, de ces jeunes-là Jusqu'à ce faire en sorte que les mamans. Les, les mamans prennent. déposent Voilà. Mhm. C'est ça pour un artiste ou pour un organisateur d'événements. Donc, c'est tout ça là qu'il faut déjà essayer de, de, de, connaître et de comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que les gens aiment Parce que vous imaginez, pour aller à un événement, sortir, aller à, un événement, il faut déjà avoir l'intention, il faut avoir, euh, après, il faut euh, déjà s'habiller, euh, prendre le déplacement, si c'est un taxi, il faut payer ces charges-là, il faut venir payer le ticket, prendre de ton temps. C'est beaucoup de choses, hein, c'est énormément de choses. Et je pense que ça, c'est un, un, facteur qui fait souvent parce qu'on néglige. Ah, le public, il faut le capter, il faut le fidéliser et, tout et tout. C'est pas facile que quelqu'un se déplace et venir te regarder. Euh, Franchement, to un hein, public a gane ka déjà les so ka musu abin da so kuma ka zama da su hallo kuma ka ga me suka me suka ce su barka partout où tu <laughs> voudras faire ton événement ils vont venir ils seront là ils seront ben d'accord monsieur Ibrahim vous en dawo gare ku parce que vous n'êtes vous pas à votre premier événement. Je crois que vous avez dû vous-même organiser euh, pas mal d'événements. D'autres parlent de manque de soutien, manque de soutien, manque de sponsors ya kuke ganin wannan in ce kwarewa bayan da ko in ce juya bayan da ake ma su wa'anda masu shirye-shirye in sun je sun ma wajen wa'anda za su kama musu wanda za su yi sponsorizan su. On a reçu aucun franc jusque-là là, de ceux qui doivent, de pour qui on le fait, parce qu'on le fait pour l'État, faut le dire. L'État doit nous soutenir. On a que la permission, c'est-à-dire l'autorisation d'organisation. C'est tout. là, on n'a rien du tout. Bon, al qui a assuré le transport de ces et du comité d'organisation pendant tout, euh, sur toutes les régions. C'est ça qui nous a sauvés. Et ça aussi, c'est personnel, c'est les relations. ça, ce sont les relations personnelles. C'est là où je voulais en venir pour euh, compléter euh, mon frère. Parce que les événements, comment on s'est là, comment on s'est comment ça, minene, mm. et comment Miss Niger, Erwanga, Gomnati. Yakamata, il kamata a sa moyen parce que kasa miskin normalement ni 2001 je me souviens, Il a porter le nom comité, du Niger, en tout cas. comité d'organisation. La dernière édition de Miss Niger de Moukaï, c'était en 2001. 2001 ne ina gaya muku duk wanda kuna gani aka yi nan c'est des miss euh, tourisme miss voyage miss oui, c'est un événement ressuscité carrément parce que ya mutu mani parce que da aka ce Niger akwai suna Niger ni gwamnati ne ya kamata ya sa moyen parce que miss yana yi miss concours miss e, e moi yana yi miss CDAO yana yi miss Africa yana miss univers franchement zan yi tabin ku har ce ma da je ne 35 minutes au fait <laughs> je ne veux pas hein. donc yanzu zan ara tana ma ma shuraren mu kasance

wannan hira muke yi bisa kan shirye-shiryen wani eh, da abin da ya shahi wasannin da à la FADA aujourd'hui les questions de l'événementiel au Niger. Est-ce qu'on peut réussir dans ce métier Comment ça marche Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Nous sommes à cette FADA au sein même euh, de la Fenifoot. foot, Fonigri, euh, ses brochettes, c'est C'est la musique. technique de grillade. Technique de grillade. Hein. À la FADA, on est avec Ahmed Ousmane de Haraka Comedy Club, monsieur Ibrahim Cheibou, qui représente le comité d'organisation de l'élection Miss Niger 2020. Nous sommes avec Omar Salif, promoteur et organisateur d'événements origi don dai wasanni a ce wani wasanni da ake yi yanzu sun samu shiga kamar nada. da sarkina ya ce mm. ibrahim shebu ya ce c'est la passion kun gane ko nous on est passionné de, de la culture déjà ça c'est un premier donc duk abin da muna yi c'est pour promouvoir pour la réussite des événements parce que y'a ba mu mousso mu ce muna cikin wani harka a ce ba ba ba yi ba non non Ahmed oui si tu as un truc à dire oui oui oui non mais bien sûr à tes à ton public public nigérien mise ka ce en euh, tant qu'organisateur d'événements oui, en tant qu'organisateur d'événements, je, je, je, demande déjà au public de venir nous soutenir, même si c'est de la... De découvrir. Découvrir, voilà, découvrir aussi. Aimer. Voilà, au moins venez, venez voir, après vous pouvez porter vos, vos jugements. Et, sincèrement, pour revenir à pourquoi euh, cette chose-là que nous sommes en train de faire, ailleurs, c'est toute une industrie. les gens se retrouvent, c'est un métier être dans l'événementiel. Et aujourd'hui, si ailleurs ils ont pu le faire, au départ on était tous au même niveau. Si eux aujourd'hui ça marche pour eux, un entrepreneur culturel comme Origigi ailleurs pour le voir, mais je vous promets, c'est pas du tout facile. Mais aujourd'hui, de son, niveau, oui, oui, voilà. Là, vous pouvez ramasser partout. C'est à l'image du Niger. D'accord C'est à l'image de notre pays. C'est seulement de cette façon-là qu'on va aussi parvenir à faire en sorte que nos artistes puissent vivre de leur art. Il voilà. le faut Il le Monsieur Ibrahim Chebou, Miss Niger, ça continue, euh, je crois, la grande finale, c'est ça, Miss Niger, euh, c'est la grande finale bientôt toutes les miss toutes les miss sont là présentement yanzu abin da muke so ga mutane uh-huh. missoshi sun zo dukansu toutes les représentantes des autres régions sont là ya kamata a kama mana puisque c'est mun yi regroupin su akwai abubuwa da yawa kamata mu yi radda za a zuwa a yi élire in la plus belle femme du Niger on a besoin de tout c'est une affaire nationale cette fille là c'est la plus belle femme du Niger il faut la soutenir jusqu'au bout. Demain, quand elle va représenter le Niger euh, au point de vue de moi d'abord, juste la sous-région, pour une fois, c'était la Nigérienne qui a gagné au Burkina. Donc c'est dire que la Nigérienne est très belle de, par sa nature. D'accord Lisa, le bienvenu sur la FADA. Ça va, c'est comment Ouais, ça va, tranquille, ma grande. On va continuer la FADA avec ta chronique. Eh, Alors, on va parler de l'argent, money, money. On va parler de l'argent, on va parler des détournements et leur impact sur notre développement. Ah ouais c'est important ça. Alors, pour aider nos auditeurs et auditrices à bien comprendre la chronique de ce soir, j'aimerais bien évidemment que toi d'abord, mhm. si tu ne comprends pas quelque chose, eh bien arrête-moi direct pour que je puisse expliquer. Parce que la chronique de ce soir, elle est super technique. Comment les affaires de surfacturation, les détournements de fonds publics et d'autres infractions financières impactent la vie des populations Cette question, plusieurs d'entre nous l'ont déjà posée, je suppose. J'avoue qu'un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement m'a donné plus de détails, des détails que j'aimerais bien évidemment partager avec nos auditeurs et auditrices. On a hâte. Super. Selon ce rapport, chaque année, on estime à 88,6 milliards de dollars soit 3,7% du produit intérieur brut de l'Afrique. Cette somme quitte le continent sous forme de fuite illicite de capitaux. Eh bien, on se demanderait quelles conséquences sur le développement du continent. Eh bien, les flux illicites privent l'Afrique et ses habitants de leur perspective. C'est-à-dire, on prend un pays comme le Niger. Oh, quand tu dis flux illicite là, ça veut dire qu'on pique ça comment voilà. La définition de flux illicite, c'est celle-ci. Les flux illicites financiers les flux illicites, les flux financiers illicites. Voilà. <laughs> en gros, Rabi, ce sont des mouvements transfrontaliers d'argent et d'actifs dont la source, le transfert, l'utilisation sont illégaux. Okay. Et ça, c'est le rapport qui le dit. Les flux financiers illicites privent l'Afrique et ses habitants de leur perspective. Le document montre <laughs> également que ces sorties sont presque aussi importantes que les entrées annuelles total combiné de l'aide publique au développement. Ces flux comprennent le de, les fuites de capitaux, les pratiques fiscales et commerciales illicites, comme la fracturation erronée des envois commerciaux et les activités criminelles telles que les marchés illégaux, la corruption ou le vol. Alors, grosse question, que faire pour limiter les flux financiers illicites Alors, à cette question, le rapport propose certaines actions comme la promotion de la coopération, la coopération internationale et régionale dans la lutte contre les flux financiers illicites. Le rapport préconise également la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Il souligne également qu'il faut accroître la transparence dans les industries extractives et le recouvrement des impôts. Je conclurai cette chronique en disant tout simplement que pour lutter contre les flux financiers illicites, il faudrait que chacun d'entre nous ait l'honnêteté et l'intégrité comme valeur. Parce que si les citoyens n'arrivent pas à contrôler ce qui est extrait de leur sous-sol, ben comment est-ce qu'ils peuvent dire combien a été volé par les dirigeants. Euh, merci pour euh, tes jolies chroniques. J'espère que nous allons la semaine prochaine. Super, on apprend toujours avec toi. Merci Ravi. <laughs> c'est la fin de tout ça, la fada français au euh, on était avec les promoteurs de spectacles, de musique. Miss Niger était avec nous. Fonny Green était avec nous, Ahmed de Haraka Community Club. Euh, ce qu'on retient de cet échange avec euh, nos promoteurs, c'est qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, à 100 abonnés suke a Azo aga abonnés abun da Quand yi kan a un bayan telefon kinka kana cewa wannan batta da wannan batta da koko abun bai daɗi ba kabata. On va se dire bye bye sur la fada kada kuma ce 80 06 88 à 54. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions et vos réactions sur nos émissions. Bye bye tout le monde.